la nuit du jeudi, là, vers 3h, 2h du matin, 3h. Mm. Euh, il y a le gardien qui passe la nuit, qui est venu sonner. Mm. Comme d'habitude, quand madame vient, il sonne, moi j'ouvre la porte. Mm. Donc j'ai ouvert la porte, première porte, il y a première porte et deuxième porte. D'habitude, je vois madame arrêter. Quand elle vient dans la deuxième coup, j'ai vu qu'elle n'est pas là-bas, donc je suis sortie pour venir là. Après, le gardien venait vers moi, il m'a dit qu'on l'a agressée. Après, j'ai vu madame euh, chez genre assis là-bas dans le sang. Dans le sang, quoi. Mm. Elle était noyée de sang. Il y avait sang partout. Même moi-même, il y a du sang sur moi ici. Euh, elle criait à l'aide. Mm. Va chercher un taxi. Et moi, j'étais paniquée. Mm-hmm. J'étais tellement paniquée, je suis allée toquer, j'ai dit à sa fille d'appeler son chauffeur. Mm. Mais le temps que son chauffeur est bien, notre voisin qui est là, il nous a pris, il nous a amené là-bas à IHO. On est parti là-bas à l'urgence. Elle a perdu énormément de sang. Nous-mêmes, on croyait qu'elle était vraiment morte. Moi et sa fille, on a commencé à pleurer dans la voiture. Moi, je disais, madame, ne nous laisse pas. Si, si tu pas qui va nous payer Parce que c'est elle qui nous donne tout. Moi, je suis étrangère. Elle m'a pris comme sa fille. Elle me donne tout ici. Hmm. Si, on la tue, comment Qui va nous payer Vraiment, je n'ai plus envie de Je ne me sens pas en sécurité. Hmm. Je suis dessus. <laughs> Je ne sais pas, mais je suis déçue. <laughs> Ça me fait mal. Ils ont voulu la tuer. Je l'ai vue, elle était dans le sang. Elle criait à l'aide. C'est le monsieur qui est venu, qui nous a aidé à l'amener à l'hôpital. <laughs> Vraiment, c'était trop grave. J'ai du sang, tout mon habit c'était le sang. Même elle a, amené moi le sachet. Elle avait un foulard là le gardien qui passe la nuit a pris. Son fou là, tout est du sang. Même là-bas, tout est du sang. La voiture était là-bas. Vraiment, ce qui est arrivé là, je ne souhaite pas ça encore. Elle t'a parlé quelque chose euh, hier Non, elle ne m'a rien dit. Elle n'a pas parlé Bon, elle, avant cela, elle m'avait dit, elle nous avait dit ici qu'il y a un scooter qui la suit. Hmm. Mais ça, il y a longtemps de cela. Hmm. Qu'il y a un gars de scooter qui la suit. Hmm. Donc qu'on soit vigilant quand on part à la boutique avec son enfant, quand l'enfant part à l'école, hmm. qu'on soit vigilant, qu'elle eh, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui la suit tout le temps. Quoi. Hmm. Elle voit ça dans l'autre visage de sa voiture. C'est ce qu'elle nous avait dit. Hmm. Mais le moment qu'on l'a agressée, elle t'a rien dit Elle ne m'a rien dit. Moi, elle était évanouie dans la voiture. Elle était évanouie. Je croyais qu'elle était partie on l'a dit, Madame, lève-toi. Je dis, Bismillah, je te confie ma patronne, moi et sa fille. Sa fille disait, maman, ouvre tes yeux, s'il te plaît, maman. Donc c'était ça, quoi. Je ne connais pas l'âge de sa fille, mais elle, doit avoir 13 ans comme ça. 13 ans. Hmm. Est-ce que tu, peux nous parler un peu sur madame Non, je, n'ai rien à parler sur madame parce que depuis, je peux parler qu'en bien d'elle. Hmm. Moi, depuis que je suis ici, je n'ai rien manqué de rien. Elle nous donne à manger comme il le faut. Mm. Elle me traite bien. Elle ne m'a jamais traité comme étranger. Elle ne veut même pas que je me sente dans sa maison comme une étrangère. Mm. Et elle me fait confiance. Quand quelqu'un te fait confiance, mm. il faut. C'est une femme qui est très gentille. C'est tout ce que je peux dire. Euh, elle, est, blessée où Elle est blessée où Il y avait tellement de sang que. Moi-même, je, je, ne sais pas, mais on a vu des blessures. Moi, j'ai vu un gros trou jusqu'à on voit la chair, la viande de, son. Il y avait tout son habit était mouillé. Tout était mouillé de sang. Depuis lors, euh, tu as entendu quelque chose au venant de l'hôpital euh, ils, ils avaient dit qu'il y a du mieux, mais je ne sais pas encore. Tu n'as pas encore le Oui. Mais on a essayé d'amener euh, quelque chose à manger, mais on ne nous a pas laissé rentrer. Mhm. Parce qu'il Parce a l'urgence, quoi.

woo chauffeur bi ne ko yóbbul may mun a hôpital. Mhm. su ma ñëwee mu jënd ordonnance ba pare jox ma xaalis ne ma demal toog sa kër ba nga wér. Mhm. nga soog a ñëw. Mhm. may mënuma wax lu ne moom. man man fajar laa ñëw rek ma yëg kii ma ñëw gis ak kër gi kii noppi noonu calme. ma ñëw ma ne Marème man de gis ma may mun a ma may lii ak lii moo xew. mais xoolal def si suba ba léegi sama yaram lépp a dee. dama paniqué fu ma nekk nii. dem nga hôpital dem fa lañ jógee nii léegi nii. Hmm. fa lañ jógee ma ñëw tuur mbalit mais dem nañ pour yóbbu suppu la commandé ñu dem yóbbu supp bi ñu ne duñ dugg. Hmm. il faut ñu laajte commandant mais am naa lu ma metti trop tey. Hmm. am naa lu ma metti parce que ñu tëdd benn guddi gisuñu ko. loolu dafa metti trop. mais fii dina day faral di am man bu ñu fi nekkee benn rek laa déggoon fii. mais yàgg na. yàgg na nag. mais man fii côté bi daal c'est que nag wéet na gaa. wéet na waaw. yan man man heure yi laay wàcc. heure yi ngay wàcc waaw. ma teel a wàcc léeg ma wàcc heure yi. loo xamante ne sama xel ñaaw non non man damay demal sama bopp sax. Mm. waaw te may sa du la bàyyi nga dem léeg-léeg sax moo yëkkati xaalis jox la ne la jëlal taxi. Mm. dama dégg léegi kii ne. Hmm. par dafa dafa waxoon am na benn scooter moom daf koy wax pour ñu moytu. Hmm. Hmm. waaw waaw. mu waxul ne kan la wala yaakaar non la moom gisul kan la. waaw parce que léeg-léeg ñu sax. c'est pavage mu indi lii sax moo ko indi pavage

Il euh, y a le gardien qui passe la nuit, qui est venu sonner. Comme d'habitude, quand madame vient, il sonne, moi j'ouvre la porte. Donc j'ai ouvert la porte, première porte, il y a première porte et deuxième porte. D'habitude, je vois madame arrêter. Quand elle vient dans le deuxième coup, j'ai vu qu'elle n'est pas là-bas, donc je suis sorti pour venir là. Mm. Après, le gardien venait vers moi, il m'a dit qu'on l'a agressée. Mm. Après, j'ai vu madame coucher, couchée, genre assise là-bas dans le sang. Mm dans le sang, quoi. Elle était noyée de sang, il y avait sang partout. Même moi-même, il y a du sang sur moi ici. Euh, elle criait à l'aide, va chercher un taxi. Et moi, j'étais paniquée. J'étais tellement paniquée, je suis allée toquer, j'ai dit à sa fille d'appeler son chauffeur. Mais le temps que son chauffeur est bien, notre voisin qui est là, il nous a pris, il nous a amené là-bas, à IHO. On est parti là-bas à l'urgence. Elle a perdu énormément de sang. Nous-mêmes, on croyait qu'elle était vraiment morte. Moi et sa fille, on a commencé à pleurer dans la voiture. Moi, je disais, Madame, ne nous laisse pas si Si tu pas, qui va nous payer c'est elle qui nous donne tout. Moi, je suis étranger. Elle m'a pris comme sa fille. Elle me donne tout ici. Hmm. Si, on la tue, comment Qui va nous payer Vraiment, je n'ai plus envie de Je ne me sens pas en sécurité. Hmm. Je suis dessus. <laughs> je, ne sais pas, mais je suis déçue. <laughs> Ça me fait mal. Ils ont voulu la tuer. Je l'ai vue, elle était dans le sang. Elle criait à l'aide. C'est le monsieur qui est venu, qui nous a aidé à l'amener à l'hôpital. <laughs> Vraiment, c'était trop grave. J'ai du sang, tout mon habit c'était le sang. Même elle a, amène-moi le sachet. Elle avait un foulard là le gardien qui passe la nuit a pris son fou là, tout est du sang. Même là-bas, tout est du sang. La voiture était là-bas. Vraiment, ce qui est arrivé là, je ne souhaite pas ça encore. Elle t'a parlé quelque chose euh, hier Non, elle ne m'a rien dit. Elle n'a pas parlé Bon, elle, elle, avant cela, elle m'avait dit, elle nous avait dit ici qu'il y a un scooter qui la suit. Mais ça, il y a longtemps de cela. Qu'il y a un gars de scooter qui la suit. Donc, qu'on soit vigilant quand on part à la boutique avec son enfant, quand l'enfant part à l'école qu'on soit vigilant, qu'elle eh, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui la suit tout le temps. Quoi. Elle voit ça dans l'autre visage de sa voiture. C'est ce qu'elle nous avait dit. Mais le moment qu'on l'a agressée, elle t'a rien dit Elle ne m'a rien dit. Moi, elle était évanouie dans la voiture. Elle était évanouie. Je croyais qu'elle était partie. On l'a dit, madame, lève-toi. Je dis, Bissim, je te confie ma patronne, moi et sa fille. Sa fille disait, maman, ouvre tes yeux, s'il te plaît, maman. Donc c'était ça, quoi. combien je ne connais pas l'âge de sa fille, mais elle, doit avoir 13 ans comme ça. 13 ans. Est-ce que tu, peux nous parler un peu sur madame Non, je, n'ai rien à parler sur madame parce que depuis, je peux parler qu'en bien d'elle. Mhm. Moi, depuis que je suis ici, je n'ai rien manqué de rien. Elle nous donne à manger comme il le faut. Mhm. Elle me traite bien. Elle ne m'a jamais traité comme étranger. Elle ne veut même pas que je me sente dans sa maison comme une étrangère. Et elle me fait confiance. Quand quelqu'un te fait confiance, il faut... C'est une femme qui est très gentille, c'est tout ce que je peux dire. Mhm. Euh, elle, est blessée où Elle est blessée où Il y avait tellement de sang que... Moi-même, je, ne sais pas, mais on a vu des blessures. Moi, j'ai vu un gros trou, jusqu'à on voit la chair, la viande de, de son. Il y avait tout son habit était mouillé. Tout était mouillé, descend sang. Depuis lors, euh, tu as entendu quelque chose au venant de l'hôpital euh, ils, ont, ils avaient dit qu'il y a du mieux, mais je ne sais pas encore. Tu n'as pas encore mené là Oui. Mais on a essayé d'amener euh, quelque chose à manger, mais on ne nous a pas laissé rentrer. Mhm. Parce qu'il Parce a l'urgence, quoi. ok, merci. Je vous en prie. y a un problème ci sa biir néegu xam wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg ci gam kàttan boobu da ngay ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci